le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio forum du studio forum du studio forum du studio Auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangou, bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangou, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Au menu du forum de ce soir, les enfants guides Mandia conséquences et alternatives Dans quelles conditions vivent les enfants guides mendiants au Niger Peut-on qualifier ces phénomènes de pire forme de travail des enfants Quelles sont les conséquences à court, moyen et long terme que ces enfants encourent Quelles sont les mesures alternatives qu'il convient d'envisager Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons invité Mamadou Moussa et il est le responsable de l'association de lutte contre le travail des enfants Alten. Il est euh, au téléphone avec nous. Euh, Mamadou Moussa, euh, bonsoir. Euh, bonjour, ça va, bonsoir, ça va Ça va bien. Et nous avons Ganda qui est Ganda Saleh, qui est le président de la coalition des ONG africaines en faveur des enfants, CONEF euh, Niger. Monsieur Ganda Saleh, bonsoir. Euh, bonsoir. Eh, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et nous avons également avec nous Boubacar Saïdou Touré. Il est islamologue avec nous également, monsieur Boubacar Saïdou. Bonsoir. Salam alaikum wa rahmatullahi. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. À la présentation, c'est moi, Alassane Kouzi Mahamadou. Ils sont âgés entre 8, 10 ans, 13 ans ou 14 ans. Leur travail quotidien consiste à conduire des personnes déficientes visuelles ou d'autres personnes sur des fauteuils roulants pour divers besoins, dont notamment la recherche, la recherche de subsistance à travers la mendicité, au devant de leurs parents ou grands-parents ou simplement des proches pour d'autres. Ils, passent de quartier en quartier, de ruelle en ruelle ou de marché en marché, bravant de nombreux risques, sacrifiant pour la plupart leur avenir aux dépens de ce qu'ils conduisent. Eux, ce sont les enfants guides mendiants. Nous nous interrogeons ce soir au sujet des conditions dans lesquelles vivent ces enfants et des effets que cela peut avoir sur eux à court, et euh, long terme et sur les mesures alternatives qu'il convient d'envisager. Pour commencer, je vous propose de suivre cet entretien que nous a accordé Moussa adjoint au chef des aveugles à Niamey. Il nous parle du profil des enfants guides qu'ils utilisent. Dans le les aveugles utilisent des petits-enfants comme guides. Et dès que ces derniers commencent à devenir grands, ils en cherchent d'autres plus jeunes. Les premiers enfants peuvent apprendre un métier. S'ils grandissent davantage dans la mendicité, ils risquent d'y rester toute leur vie. Voilà pourquoi nous changeons pour prendre des plus jeunes. Nous utilisons des enfants scolarisés comme guides quand ils reviennent à l'école, mais aussi ceux qui ne sont pas scolarisés. Le matin, nous mendions avec les enfants non scolarisés et les après-midi, nous faisons recours à ceux qui vont à l'école. Hmm. Voilà, et vous venez d'écouter donc Moussa Yarou, je disais personne déficiente visuelle, en tout cas qui, qui, nous parle un peu du profil des enfants utilisés et de comment, en tout cas, euh, qui sont ces enfants et la relation qu'il y a entre eux et, ces enfants. Euh, vous êtes au téléphone avec nous, Monsieur Mohamed Moussa. Oui. Quel commentaire déjà vous avez à faire euh, ou, quel complément d'information au sujet du profil des enfants guides au Niger, leur origine, leur tranche d'âge, ainsi que les relations qu'ils partagent avec euh, les personnes qu'ils conduisent euh, Il parle de ces enfants mandiens. Je crois qu'il est dans la même compréhension que nous. Il y a une situation, disons, dramatique qui se passe dans l'utilisation des enfants pour être des guides mendiants. L'enfant, qu'il soit utilisé même pour le guide d'un d'un non-voyant, ce n'est pas normal, a fortiori être guide d'un mendiant. La mendicité, vous savez ce qu'elle représente du point de vue de la considération sociale, du point de vue même de la religion, elle a été encadrée. Le et là, certainement, il va vous dire euh, mieux que moi les différents préceptes qui encadrent cette euh, disposition de mendicité. Mhm. Les enfants, évidemment, il a commencé une sorte de typologie des enfants. Les mendiants utilisent des enfants jeunes à un moment où ils devraient être dans l'école euh, présentiel, formel, où ils doivent être assis avec un maître. Ah. C'est pendant cette période qu'ils les utilisent. Et ils les utilisent dans toute la période sans repos. S'il y a un repos pour l'enfant, c'est d'être assis pendant que le mania est debout pour mendier. Et d'ailleurs, quand c'est devant les feux rouges, hmm. il n'a pas de repos. Il court en même temps que lui pour rattraper les véhicules. Hmm. Donc disons que c'est une situation dramatique que nous sommes en train de voir depuis des années. Il y a plus de 20 ans que nous avions fait une euh, enquête sur cette question. Et vraiment, la problématique est posée. C'est les actions qui hmm. manquent. Hmm. Qu'est-ce qu'il voudraient faire La typologie est la même. Hmm. Il Ils un enfant à partir de 6-7 ans, 5 ans parfois. Dès qu'il atteint l'âge de 10, 11, 12 ans, quand il commence à comprendre, il, se met à voler un peu ses pièces ou à, à tricher et il le chasse. Il va le chasser dans des conditions où il n'est pratiquement pas récupérable par le système scolaire moderne aujourd'hui. Mm, mais on, voit qu'il il évoque aussi cet aspect, euh, le fait que, en tout cas, euh, ils utilisent de plus en plus, il y a, certains enfants qui vont à l'école, qu'ils utilisent au retour, après leur retour de l'école. Non, ça peut-être, euh, je, ne, je ne connais pas ce genre de situation. Le mendiant, les autres qu'ils utilisent ne peuvent pas être utilisés par l'enfant pour euh, aller quelque part. Il doit être avec lui pendant ces heures-là. Hmm. C'est peut-être des exceptions qui peuvent exister, surtout quand il s'agit des parents. Hmm. Quelqu'un qui utilise son enfant, il a besoin que l'enfant aille à l'école. C'est tout à fait naturel que l'enfant aille à l'école, au retour, il le prend pour aller faire. Mais dans le cas où les, non-voyants sont inconscients, ils utilisent les enfants, parfois ils les louent, ce même pas leurs propres enfants. Ils prennent les enfants des voisins ou des alentours qui peuvent leur donner, fournir des enfants. Hmm et ils payent le service à la fin, non pas à l'enfant, mais aux parents des enfants, de l'enfant. Nous allons revenir au studio, euh, M. Mohamed Moussa, pour donner la parole aussi aux autres invités. M. Ganda Saleh, président de la coalition des ONG africaines en faveur des enfants, euh, Niger. Alors, vous avez entendu ce témoignage, vous avez entendu la réaction de notre premier invité au téléphone. Quel est votre commentaire Et Merci. Euh, peut-être euh, pas de commentaires parce que M. Mamadou Moussa, mm. on parle le même langage, il a tout, il a tout, euh, il a tout dit. Mais simplement, je veux ajouter qu'il y a une étude qui est faite mm-hmm. euh, sur la mendicité au Niger qui a été commanditée par l'ONG de la place. c'est pas le Niger seulement, c'est une étude qui, concerne le Niger, le Mali et le Sénégal. Donc quand l'étude va sortir, ça sera validé je pense qu'on aura des pistes pour pouvoir euh, euh, régler un certain nombre de problèmes dans la ministère. Et pour revenir au commentaire de, de, non-voyant, là, qu'il a dit, effectivement, euh, il n'a pas tout dit, mm. parce que là, et, tout le monde le sait, souvent, eux, et ces enfants-là, ils les louent. Mm. Ils les louent c'est eux-mêmes qui contribuent, si vous voulez, à l'échec scolaire de ces, de ces enfants-là. Mm. Et vous lui-même, il dit, euh, quand l'enfant commence à être euh, un peu, euh, est, quand il est un peu malin, ils vont le chasser, ils vont le remplacer par un qui peut-être ne sait pas compter l'argent. Mm. Vous voyez mm. Et comme l'a dit, comme l'a souligné Mamadou, ces enfants-là n'ont pas de repos. Mm. Voyez-vous Souvent, ceux qui viennent de, du monde rural, ils viennent avec des enfants. À partir d'ici, quand les enfants sont un peu vraiment, ils ont, ils ils ont goûté à la vie de la ville. Mm. Ils échappent, ils échappent à ces, à ces, à ces, à mendiants-là, mm. à ces aveugles-là. Parce que c'est ça le problème. Ceux même qui sont en train de contribuer, vraiment euh, à ce que les enfants ne vont pas à l'école, les enfants sont dans la rue, et, etc. Donc vraiment, c'est un phénomène que vraiment ça nous tient à cœur comme je l'ai dit, il y a une étude qui a été menée. On va voir le résultat, on va valider, voir les pistes euh, qu'il faut emprunter pour régler ce problème. Nous revenons à M. Boubacar Seydou Touré, islamologue. Alors, euh, quel est votre regard par rapport à cette situation d'enfants, en tout cas qui, euh, qui sont utilisés comme guides des, des, personnes déficientes visuelles, des personnes malvoyantes Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est encouragé par l'islam Louange à Allah, Seigneur de l'univers, par essence et par excellence. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers le bon chemin. Avant tout, la mendicité est un phénomène affreux qui apporte atteinte à la réputation de la société, de la vie humaine. Elle perturbe et déforme l'image vraiment de l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala, le, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa a interdit l'humiliation du croyant lui-même, par lui-même. Mm. Ça veut dire quoi Am mm. am mandia. Mm. Le prophète Mohammed nous a interdit. Et le prophète nous a dit, eh, dans un verset, eh, dans un hadith, La lil mu'min an nafsahu. Il dit, il est interdit à, aux croyants de vraiment se régner lui-même. Vraiment, d'essayer vraiment, de se, de, lui-même. En, en quoi faisant En Kemanda, mmh. en Et Allah dit que vraiment, là où on dit que vraiment la mendicité, elle est interdite même, Allah dit Walakad Karamna Bani Adam. Allah a fait à honorer l'être humain. Donc, parlant maintenant de cette. Euh, la mendicité, on peut, dire elle est interdite en islam. Mais il n'y a pas de catégorie de personnes auxquelles c'est autorisé. Moi j'ai vu dans le Saint-Coran, il est dit que. lil الصدقات wal Masakin il y a huit catégories et ça et ça aussi les gens comprennent la mendicité on a dit que vraiment un c'est pour les pauvres c'est pour les nécessités les collecteurs des zakats on doit leur donner au moins la saraka. Il y a ceux qui ont des penchés mm. vers l'islam, les adhérents de l'islam qui veulent vraiment embrasser la religion musulmane, on doit leur donner. Wafir Rikab, les esclaves affranchis ou achetés, on peut leur donner la zakat. Et ceux qui sont endettés, fortement, c'est un commerçant qui est tombé en faillite, on peut leur donner la, et, eh, le, je sais pas, la saraka. Wafir ce sont les étudiants et les voyageurs. Mm. Mais on dit, on te donne, lorsque tu auras vraiment combler ce que tu avais besoin, tu dois arrêter de mendier. Hmm. Sauf que là, nous sommes dans un cas où c'est des gens qui ne voient même pas. Euh, on peut le mettre vraiment dans la catégorie des, euh, comment on des, pauvres. Hmm. Parce que ceux qui ne voient pas, c'est des pauvres. Hmm. Mais là, eux, ils ont une catégorie, mais c'est une, une, manière. On ne doit pas, c'est pas d'aller commander dans les rues, c'est pas vraiment au niveau des faits de stop. On doit vraiment, on doit les, vraiment <coughs> de trouver une place. Ça, on peut vraiment faire diligence à ça. Mais sinon, le professeur a dit, mais c'est là où on dit que l'islam, le thème ne vraiment n'autorise vraiment n'autorise pas vraiment parce que ceux qui font la malicie aujourd'hui, on dit c'est les, les, malvoyants, c'est vraiment les handicapés. Et pourtant nous trouvons des handicapés aujourd'hui qui fabriquent des chaises. Mm. Hein? Et mais ceux qui ne sont pas encouragés par nous, par vous, et par, la, et, par l'État. Mm. Parce qu'aujourd'hui, ces, c'est handicapés qui fabriquent des chaises, nous, on a, on a préféré acheter des chaises ailleurs que vraiment de s'encourager ces gens. Pour revenir à ce que oui, euh, l'intervention de, de, malvoyants. ces enfants, en tout cas, oui. Le CEMAL ouais. 1, hein, mm. vous voyez, on dit, quand on parle vraiment des droits de l'enfant, on, on pense que vraiment, c'est vraiment, c'est les, du occidentaux. Le droit, droit de l'enfant, là, c'est primé par l'islam. Mm. Et là, ce qu'ils viennent de dire, on entend de bafouer ces droits de enfants. Parce que, on dit, mm. la recherche du savoir, là. Donc, vraiment, cet enfant, on doit vraiment l'aider. Mais ce que vraiment le, ce monsieur est en train de faire, c'est pour vraiment défavoriser leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, si vraiment on dit que ce sont des enfants des ministres, les enfants de Richard, qui deviennent chaque jour, ben, je sais pas, des ministres, mais pourquoi c'est grâce à leur papa, au père vraiment de Samandia. Mm. Et ce qu'il vient de dire, qu'ils prennent des enfants, comme euh, je sais pas, Mousse l'a dit, mm. de 6 ans ou de 5 ans. Mais ça, c'est vraiment c'est une grande, grande insulte, ou bien vraiment, c'est une inconsidération à cet enfant. C'est faire tort à cet enfant. Pourquoi prendre vraiment cet enfant et le mettre à l'âge de, de 5 à 10 ans pour dire qu'il va pas pour mendier Alors qu'on sait que le, le nous a, interdit de mendier, dit que vraiment, l'homme ou bien le mendiant va continuer à mendier jusqu'au jour de la juridiction, il viendra sans vraiment une chair sur son visage. Et pourquoi nous allons mettre nos enfants Et ça, vraiment, c'est pour vraiment les perfectionner. Parce qu'un enfant qui commence, à l'âge de 5 ans jusqu'à 10 ans, ça ne va plus le laisser. C'est fini. Il ne connaît rien encore que, de faire ça. Donc vraiment, on devrait prendre la disposition pour mettre fin à vraiment... Parce que les enfants sont innocents. C'est vous, ce sont ces mendiants, c'est l'État, c'est la communauté qui est responsable de ça. Bien. Alors, être enfant guide, cela donne droit à une petite contrepartie de la part de la personne guidée. Eh, est-elle suffisante ou pas Suivant à nouveau le, même monsieur Moussa que nous avons rencontré. De quand tu réunis assez d'argent, tu en donnes un peu à l'enfant guide pour qu'il puisse manger. On lui donne jusqu'à 500 francs et parfois plus. C'est selon la recette du jour. Certains malvoyants ne gagnent pas plus de 1000 francs, 1500 francs par jour. Et lorsqu'ils enlèvent leurs frais de transport, ah, il ne leur reste même plus assez de pièces pour leur dîner. Euh, voilà. Monsieur Mohamed Moussa, quel commentaire euh, avez-vous par rapport, en tout cas, à, ce qui est donné, cette contrepartie qui est donnée, euh, selon, en tout cas, les personnes aux, enfants guides Je dis, tout ça rentre dans le cadre de l'indécence sociale et de l'injustice aussi du point de vue de la loi. Parce qu'utiliser un enfant dans la mendicité, c'est de l'injustice euh, pure et simple, et c'est d'ailleurs condamné par la loi. Je ne peux pas vous dire les références, peut-être que mon président qui est là, Saleh, vous le dira euh, s'il a les éléments avec lui. Mhm. Mais l'un de l'autre, discuter même de cette question de rémunération de l'enfant revient à accepter cette mendicité-là. Mhm. Je dis, je refuse cette discussion pour dénoncer de manière globale l'utilisation des enfants par quelle que soit la situation de la personne, qu'elle soit aveugle ou non, qui l'interdirait d'aller à l'école, qui lui hmm. interdirait de jouir des conditions décentes d'existence, surtout du point de vue moral. Hmm. Parce que la moralité de l'enfant est mise à berne, elle est mise à rude épreuve. Parce hmm. que quelqu'un qui s'habitue à manger et va tendre la main, eh bien, on ne sait pas quel adulte on va construire demain. Et toute la difficulté se trouve à ce niveau. Notre combat en tant que militant des droits des enfants et militant de la lutte contre le travail des enfants procède à créer la justice qui permet à l'enfant, même s'il doit aider ses parents, même s'il doit au nom de ses parents aider, il ne faudrait pas que cette aide-là remette en cause quoi que ce soit dans le cadre de son intégrité morale, de son intégrité physique, et aussi de son intégrité intellectuelle. Hmm, voilà hmm. le combat que nous poursuivons. Euh, euh, voilà, M. Ganda Saleh euh, de la COANEF, vous également, vous, réfutez. Il dit que c'est une discussion qu'il réfute déjà parce que déjà discuter de cette question de, de récompense, de contrepartie, ça revenait à accepter déjà l'idée du travail des enfants. <clears throat> Ah oui, là, eh, tout à fait. Parce que là, eh, on peut classer ça même par. Euh, c'est une exploitation de ces jeunes-là. Et c'est le travail aussi des enfants. Moi, je pense qu'il hum, il y a un nouveau décret qui est sorti, le décret 369 euh, du 19 euh, juillet 2019, qui crée des comités de protection au niveau national jusqu'aux tribus. Donc là, je pense qu'on va trouver, euh, ces questions-là vont trouver leur réponse une fois ces comités-là ont été mis en place hum. dans tous les villages du Niger. Donc là, en ce moment, euh, je pense que ce problème des enfants-là, tout l'ensemble de la population va s'approprier de, de ce précieux hum, euh, document pour pouvoir lutter contre ce travail des enfants. Et s'il faut revenir sur le commentaire de, ce, de, de Yaro, vous, entendez ce, euh, vous avez entendu ce qu'il a dit. Et si ils ont trouvé 1500, ils donnent 500. voyez, souvent, c'est en fait, c'est des enfants même euh, qui cherchent. Parce qu'une fois, l'enfant a été utilisé par euh, quelqu'un, lui, il n'a rien à faire que ça. Hmm. Maintenant, c'est lui-même qui propose ses services à ces malvoyants-là. Hmm. Vous Voyez comment on loue les enfants, comment on loue des chaises pour des cérémonies pour certains cas aussi, c'est leurs parents. Hein. On ah, le, faut le préciser, pour certains, c'est vraiment leurs parents. C'est leurs parents. Mm. Souvent, c'est les parents même qui donnent tout ça mm. tout le monde le sait. Mm. Mais c'est pourquoi je disais, euh, le, fameux décret là va régler ces questions là. Ah vraiment, ce que nous souhaitions, nous souhaiterons quand même que, l'ensemble de la population prenne conscience de ce problème. Et quand l'enfant n'est pas à l'école, vraiment, c'est c'est un danger. C'est un danger parce qu'à un certain âge, non seulement à partir de 13 ans, il n'a jamais fréquenté l'école, même les écoles de passeurs, il, sera devenu irrécupérable. Il sera un danger pour la société. C'est finalement, il va se retrouver, comme on le dit, sans attachement familial parce qu'il va se retrouver dans la rue. Hmm. Voilà, c'est ça le grand problème. Monsieur Boubacar Saïdou Touré, islamologue, alors, vous avez entendu cette question, euh, en tout cas d'enfants, euh, guide qui, en tout cas, qui sont utilisés par contrepartie. Euh, Quelle est votre lecture Non, la lecture, euh, elle est unanime parce qu'il hmm. faut interdire ça. Hmm. Parce que là, c'est pour apprendre aux enfants non seulement d'être vraiment des fainéants, et des vagabonds. Comme il vient de le dire, là, l'enfant est complètement euh, mis à l'écart vraiment du système éducatif. Ça, vraiment, c'est un truc qu'on doit, qu'on doit blâmer. Mais ce qu'il faut savoir aussi, il ne suffit pas de blâmer, il ne faut pas les envoyer, il ne faut pas. Mais quelle est l'alternative pour ces enfants-là c'est avec ça nous allons terminer. Ah, nous allons terminer par les, par les alternatives. Donc, même, ce qu'il faut dire, il faut condamner parce que, eh, vous venez de le dire maintenant, on dit chaque fois que vraiment, nous avons un faible taux de scolarisation. C'est dû à ce genre de trucs. Mais eh, alors, qu'est-ce qu'on fait pour ces parents-là Comment il faut empêcher ces enfants-là pour que vraiment qu'il aient commandé Parce que là, il faudra sensibiliser ces parents-là. Aujourd'hui, quand ces enfants-là qu'on rencontre, soit vraiment c'est des talibés, qui peuvent mémoriser les Saint-Coran à l'âge de 12 à l'âge de 13 ans. Mais on peut dire que ces enfants ne sont pas intelligents. Ces enfants, les encadrants peuvent mettre même présents de la République. Mm. mais si vraiment on les défavorise, on les met à l'écart, comme je l'ai dit, je le répète, c'est pas la faute vraiment, c'est des malvoyants mais il y a une faute, une responsabilité mm. vraiment de l'autorité et de la communauté. Et nous devons face à ça. Alors, euh, pour, continuer, hein, euh, selon la Convention sur les pires formes de travail des enfants, l'expression pire forme de travail des enfants comprend les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. Euh, voilà. Au regard de cette définition, Mohamed Moussa, peut-on dire que le phénomène d'enfant guide fait partie des pires formes de travail des enfants ou pas du tout oui, mais monsieur, absolument. Ça fait partie des pires formes du travail des enfants, surtout que ça porte atteinte non seulement à la moralité, mais aussi à la santé de l'enfant. Un hmm. enfant à un certain âge qui est soumis à certaines conditions, dans la mendicité, notamment les risques liés à la circulation, les risques liés aux rencontres de, euh, personnes tous azimuts, euh, évidemment, ça, est, ça fait partie euh, des conditions des pires formes du travail des enfants. Hmm. Et surtout, surtout, je vous ai dit que ça prive l'enfant de cette euh, obligation nationale qui est l'instruction de l'école. Hmm. Donc, en cela, nous le considérons comme un élément des pires formes de travail des enfants. La Convention 182, elle est allée encore plus loin, puisque hmm. euh, tout ce qui est assimilable à l'esclavage, c'est le point 1 des points qui ont été cités dans la Convention 182. Oui. Et eh bien, la mendicité, doit d'ailleurs être inscrite sur ce tableau-là. Le tableau de, de l'esclavage, vous voulez dire, de l'esclavage de l'esclavage moderne. Moderne. Et hum. que vous prenez comme ça, comme une propriété à vous, vous lui empêchez de jouir non seulement de son enfant, mais aussi des, possibilités que l'État lui offre. et hum. Eh bien, nous sommes pleins dans les pires formes de, travail des enfants qu'il faut et nécessairement et urgemment éliminer. Hum. Alors, euh, euh, voilà, euh, un commentaire peut-être au, studio, nous revenons au studio. Quel complément par rapport, en tout cas, au, qualificatif à donner à cette question de guide d'enfant guide mendiant Il n'y a pas autre qualification que la qualification qu'avait donnée de Moussa. Vraiment, c'est exactement ça. Hmm. Parce qu'on empêche à l'enfant de jouir de, tous ses droits. Hmm. Or, au Niger, le Niger a ratifié pas mal de conventions. Et à l'interne même, euh, pour la protection de l'enfant. Il y a beaucoup de textes qui cadrent vraiment la protection de l'enfant, tant au niveau international, régional que euh, national. Donc là, euh, le seul problème, c'est que ces, textes-là ne sont pas vulgarisés. Ces textes-là ne sont pas, ne sont pas connus par l'ensemble de la population. Et là, c'est ça le grand problème. Chaque fois, on, ne cesse de de, de le répéter. On doit fournir un effort pour vraiment vulgariser ces textes-là. Peut-être si euh, ceux qui utilisent ces enfants-là ont une certaine connaissance de, texte, de ces textes, euh, le phénomène peut réduire, pas totalement arrêté, mais on peut réduire ce phénomène. Mm. C'est ça que j'allais compléter. Mm, merci, merci. Alors nous abordons la, deuxième partie de cette émission qui concerne les conséquences sur le long terme ou à court terme de, que ces choses ont sur les enfants. Euh, Monsieur Boubacar Seydou Touré, islamologue, quelles sont aujourd'hui les conséquences à court, moyen et long terme que, en tout cas, qu'on peut craindre pour ces enfants guides mendiants non, le euh, premier les, c'est le développement, c'est le développement. Parce que quand un pays, l'effort de développement d'un pays repose sur sa jeunesse, si nous avons vraiment des jeunes qui sont des, braves valides, qui sont là vraiment à ne rien faire, ils ne connaissent rien, donc ils ne sont pas instruits. Et pour la formation professionnelle, il n'y a rien. Donc cela veut dire que nous formons que vraiment, là, le, développement de ce pays est incertain. La raison pour laquelle, euh, les, pour ces graves conséquences, vraiment, c'est vraiment chez, euh, euh, le banditisme. Parce que ces enfants-là seront vraiment des bandits de, la loi. Et donc là, vraiment, ce que, nous, ce que vous constatez, ce que nous constatons aujourd'hui, il faut voir dans les rues, de ce qu'on appelle les enfants de rue, là. Donc, euh, quand vous le voyez, ce n'est que des voyous formés. Et vraiment, jusqu'à l'arrivée à l'âge d'adulte. De raison pour laquelle, vraiment, c'est ce genre de truc. Moi, je ne pas dit qu'on n'a pas fait travailler les enfants. Nous, vraiment, parce que quand euh, Moussa avait abordé maintenant que les enfants, même euh, l'insécurité de la rue, même si les enfants qui partent à l'école, vraiment, il y a cette insécurité. Mmh. Mais nous, ce que nous disons seulement, l'enfant, il faut le mettre dans ses droits. Mmh. Notamment le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation, le droit à la formation, parce que aujourd'hui, eh, tous ces grands, tous ces grands marabouts qui sont venus là, ils ont, ils ont commencé à bas âge. Mais il faut savoir comment encadrer ses enfants. Nous, on met l'accent sur l'encadrement. C'est pas vraiment parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez même ailleurs, il y a des enfants qui vraiment qui maîtrisent très bien vraiment euh, leur domaine. Mm. Alors ah, là, et puis, oh, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas, pas dans n'importe qui mais vraiment dans, le système éducatif. Mm. On va, mais il faut voir maintenant le taux de chômage, le taux vraiment, même le, taux de chance de réussite. Il faut voir, quand, on, quand, quand vous prenez vraiment euh, le sondage, vous verrez que vraiment la plupart des enfants, à plus de 60%, soit vraiment l'échec. Hum. Donc maintenant, il faudra penser vraiment à cette formation vraiment professionnelle. Hum. Monsieur Mahamadou Moussa euh, d'Alten, euh, l'association des luttes contre le travail des enfants, quelles sont les autres conséquences que vous, vous voyez à court terme et à moyen terme pour les enfants guides Bon, mais j'aimerais juste commencer par dire à M. Touré, l'exposition d'un enfant guide mendiant et l'enfant qui va à l'école, ce n'est pas la même chose. Hum. Ce n'est pas la même, le même degré. L'enfant, il va à des heures bien encadrées et il revient à des heures bien encadrées. L'enfant guide de il a H24 avec le mandia. Maintenant, les conséquences, vous me posez cette question, c'est vous dire qu'elles sont nombreuses. Hmm. Vous savez, euh, la régulation de la société passe par un dispositif d'encadrement qui permet à chaque étape de la vie qu'on puisse être à un niveau donné, dans un quartier donné. Hmm. L'enfant de 6 ans, 5 ans, il doit être dans le quartier de l'apprentissage, de l'éducation. Hmm où on doit lui apprendre à lire, à écrire et à découvrir le, qu'il y a comme euh, dispositif Et c'est ça que tous nos pays ont adopté. Et d'ailleurs, c'est la meilleure formule pour que demain, on ait un enfant qui soit qui, est, qui comprendrait mieux sa communauté et qui mm. participerait de manière beaucoup plus réfléchie à sa participation dans la société. Lorsque vous avez un enfant que vous soustrayez de, ce dispositif-là, vous le laissez dans les mains d'un bandia. Il va tout naturellement développer, euh, je ne suis pas psychologue pour vous le dire, hmm. mais il va développer, qui questions sur des éléments de haine de la société, hmm. des éléments d'incompréhension vis-à-vis de la société. Hmm. Vous allez voir les enfants qui demandent, ils ne sont pas aussi heureux que le pense. Ils sont frappés, ils sont battus, ils sont contents de faire quelque chose qui n'est pas dans leur cœur. Pendant surtout quand ils ont la proximité d'autres enfants qui vont à l'école. Mm. Donc de ce point de vue de la moralité, l'enfant peut développer. peut développer une situation d'incompréhension de sa propre communauté. Qui va déboucher à ce que docteur Touré avait évoqué, notamment ces questions de, cas de banditisme et autres. Bon, le banditisme, est très large, mais il ne faut pas exclure que ces situations de type de, de, autant que les autres, qui ont, dans l'analyse globale de la problématique de la protection sociale, ont été pris en compte pour que l'État développe une politique de protection sociale hmm. qui devrait exclure ce genre de choses-là. Exclure qu'un enfant tire un manière pour aller manger. Il peut le tirer pour l'amener à un point donné, hmm. le déposer et aller à l'école, hmm. finir, revenir. Mais c'est que nous avons des mendiants qui sont ambulants, qui courent derrière euh, des voitures, qui courent derrière des piétons. Forcément, le guide va subir ce, euh, ce, mécanisme de, mendicité qui, à la limite, est non seulement agressif, mais aussi perturbateur dans la vie publique de tous les jours. Regardez aujourd'hui comme vous partez. En dépit de l'interdiction faite par la municipalité de Niamey, vous avez même l'impression que l'interdiction à encourager <laughs> les gens. Mais nous allons revenir au studio, Mahmoud Moussa, pour, pour euh, voilà, euh, Ganda Saleh. Est-ce que vous avez quelque chose, un complément par rapport aux, conséquences euh, qu'il faut craindre Oui, par rapport aux conséquences, surtout à, long terme. Et là, finalement, le, le docteur Touré l'a souligné. Mm. À long terme, ces enfants deviennent vraiment un danger public. Mm. Parce que non seulement, vous voyez, quelqu'un, un guide mendiant, qui, euh, par sa fonction de base, parce que moi je peux l'appeler sa fonction de base, n'est pas avec ses parents. Mais hmm. Maintenant, à la longue, comme l'a souligné M. Yaro, à 13 ans, 15 euh, ans, maintenant, eux le lâchent. Hmm. Maintenant, qu'est-ce qu'il va devenir Il va se retrouver dans la rue. Bon, c'est pour corriger un peu. Maintenant, on n'appelle pas les enfants de la rue, on les appelle des enfants euh, sans attachement familial. Ça, c'est une appellation. Pour, pour, euh, donner euh, moins de. Voilà, pour vraiment, pour, le, pour les respecter, hmm. pour respecter leurs droits. Ils vont se retrouver sans attachement familial. Là, ils seront vraiment dangereux. Et souvent, quand vous, quand vous causez avec certains, qui sont devenus grands, qui savent ce qu'ils sont en train de dire. Ah, attention, moi j'étais même guide mondial dans ma vie. Mm. Donc ils sont capables de tout faire. Mm. Là vraiment, c'est des gens à la longue seront vraiment euh, une charge non seulement pour la société et un danger pour la société. Bien, je voudrais qu'on aborde, en tout cas, on, l'avait déjà effleuré, hein. c'est quelque part les raisons qui, poussent certains, euh, certaines personnes non voyantes à utiliser ces enfants où certains enfants à se retrouver dans cette question, notamment l'échec scolaire, euh, notamment, ou, en tout cas, cette question de l'importance de, de l'éducation revient souvent. Et beaucoup de personnes déficientes visuelles sont conscientes mais souvent c'est malgré eux. Je vous propose de suivre deux témoignages qui vont suivre. Le premier que voici. Nous pratiquons la mendicité malgré nous. Nous voyons bien des enfants de malvoyants qui ont été éloignés de la mendicité et ont réussi à l'école. Nous espérons faire la même chose aussi. J'ai des enfants scolarisés. Le matin, je ah, m'en dis seul. Mais le soir, c'est eux qui me guident pour mendier en ville, à leur retour de l'école. Notre vœu, c'est que les autorités nous viennent en aide sur le plan alimentaire afin de permettre à nos enfants d'étudier sans avoir besoin de nous guider pour mendier. Je vous propose de suivre le second qui parle de l'échec scolaire qui explique le fait qu'ils font recours à certains enfants. L'école est compliquée de nos jours. C'est fréquent de croiser des petits élèves exclus du système dès leur échec au certificat de fin du premier cycle. À partir de cet instant, l'enfant qui n'a plus rien à faire peut être poussé par ses parents à la mendicité comme guide mandia. Voilà ce qui explique le nombre important d'enfants guide mandia. Ils accompagnent les malvoyants qui leur donnent de quoi eh, subvenir à leurs petits besoins hankan Voilà, vous venez d'écouter ces deux. Euh, je donne la parole à Mahmoud Moussa, commencé euh, de l'association de lutte contre le travail des enfants. Quel commentaire vous avez à faire par rapport à ces raisons évoquées par ces, ces personnes déficientes individuelles qui utilisent souvent leurs enfants et d'autres malgré eux non, je voulais vraiment restituer une situation sur le terrain que je semble ne pas bien avoir compris avec euh, le, non-voyant qui a parlé tout à l'heure. Il parlait de leurs enfants qui vont à l'école et qui reviennent, qui font non. C'est vraiment des cas exceptionnels, Donc vous voulez dire les cas, les cas de personnes handicapées, les cas de personnes en tout cas déficientes visuelles qui utilisent, qui laissent partir les, leurs enfants à l'école sont exceptionnels, vous voulez dire non, non, c'est vraiment de l'exceptionnel. Donc pour vous, la plupart, la, grande majorité ne laisse pas partir les enfants à l'école C'est l'écrasante majorité, sinon la totalité. Hmm. Quand ils utilisent un enfant, c'est H24 et temps plein, jusqu'à ce que l'enfant soit hors usage. Et hors usage, ça intervient autour de 13, 14, 15 ans. C'est en ça qu'il le libère. Donc il n'y a pas d'enfant qui soit aussi retiré de l'école, qui vient les accompagner pour aller faire la manicité. Non, ça, je n'ai personnellement jamais faire ce hmm. cas de figure. On a fait des descentes sur le terrain, on a examiné, et tous les jours que Dieu fait, on a l'œil là-dessus pour voir ce qui se passe. Hmm. Donc vraiment, euh, penser penser qu'il y a euh, un dispositif qui peut édulcorer euh, leur comportement vis-à-vis des enfants, il n'y en a pas du tout. Qu'en est-il de l'échec scolaire évoqué L'échec scolaire évoqué Non, non, justement, ce que je suis en train de vous dire, on ne peut pas parler de cas d'enfant qui a échoué, qui revient suivre euh, un, non-voyant pour aller faire la mendicité. Non, ces cas, je ne sais même pas si ces cas ont existé. Hum. L'enfant, quand il va à l'école, la première des choses qu'il commence à construire à l'école, c'est une personnalité. Il ne peut pas venir la, jeter tout d'un coup pour être derrière un, euh, chose. S'il va faire la mendicité, il va le faire à son propre N'oublions pas qu'il y a certaines familles défavorisées ou les gens n'ont. Peut-être que l'enfant peut revenir de l'école, il n'a rien à manger, on lui propose ça. Bon, vraiment, je ne peux pas rentrer dans ce débat. Peut-être que ce que le président Ganda a dit tout à l'heure, qui est en train d'être fait, pour mm. relever des situations comme ça, mm. mais il révélait forcément de l'exception. Bien. Quand mm. on traite une problématique, on, on essaie d'oublier les exceptions. Bien. Nous, nous, revenons au studio. Boubacar Saïdou, Touré, islamologue. Cette quand bon, tu prends l'échec, mais un enfant qui est toujours derrière ses parents, est-ce qu'il peut réussir Même s'il va à l'école. C'est ça le problème. Parce que quand, quand, quand il aura le temps vraiment pour réviser ses leçons. Ça, c'est un. De deux, maintenant, euh, comme il vient de dire, moi, j'ai tout, et le même l'a dit, c'est pour, avoir à manger. Ils n'ont rien pour, vraiment empêcher leurs enfants d'aller mendier. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Il a même interpellé l'État ici. Donc, moi, je pense que vraiment, Comment vous situez aujourd'hui les responsabilités, justement, en tout cas, des parents d'élèves, des défenseurs des droits humains, euh, de la société civile, de la société dans son ensemble aujourd'hui En tout cas, la société dans son ensemble, moi je dis, il y a une fuite de responsables d'une part. D'une part, des parents même et même pas des autorités. Pourquoi des autorités Des autorités communales. Avant, on sait comment vraiment aider ces gens-là. Aujourd'hui, non seulement la population euh, s'est multipliée, mais là, il faut venir comment aider vraiment ces pauvres-là. Qui quittent, on sait, ils sont dans, un quartier bien déterminé. Et là, moi, je, moi euh, est-ce que euh, si vraiment avec les hôtels là. Il faut voir, il y a combien de temps d'ordures vraiment de manger bien fait qu'on nous fait jeter dans, les ordures. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment, avec, surtout avec la, société, le mécanisme, avec la société civile, mais avec vraiment les, euh, l'association qui défend ces, ces est-ce qu'on ne peut pas, comme ailleurs dans les autres pays, est-ce qu'on ne peut pas colter ces, vraiment, ces nourritures, même si vraiment c'est des, des, paquetages, et distribuer à, à, ces gens, pour au moins limiter les dégâts Parce que, un, un enfant qui a 12 ans, qui n'a pas eu son certificat, il peut continuer avec son papa pour aller mendier, ça c'est vrai. Parce que les enfants qui qui vont mettre fin à ça, ceux qui auront ah, au-delà de 15 ans, et ils savent ils sont devenus des adultes et puis c'est terminé. Mais nous devons vraiment voir, trouver un mécanisme. un mécanisme pour retenir ses enfants. Ne même pas, parce que mon l'islam a complètement interdit vraiment cette mendicité. Ah, ah. Et nous devons avoir des mécanismes pour empêcher les enfants d'accompagner leurs parents même. C'est pas vraiment d'aller déposer, comme on vient de dire, à une heure précise. Il faut vraiment les interdire. Il faut faire tout pour que ces enfants-là partent à l'école et qu'ils réussissent. Ah. Il vient de le dire, il a dit qu'il y a des enfants qui empêchent leurs parents maintenant d'aller mandier, Pourquoi Parce qu'ils sont allés à l'école. Et alors, si nous en prenons vraiment et cette expérience pour exprimer les, autres ne vont pas. Hmm. Mais si on les laisse voir, on les laisse regarder, et ils ont la chance hmm. vraiment d'arriver. Mais eux, la société, et l'État, et les autres vraiment associations qui doivent défendre ça, on se croise des bras, on ne fait que vraiment que des discours ça ne va pas arranger les choses. Là, il faut, il faut, il faut avoir des paramètres, il faudra qu'on se conjugue les efforts ensemble et trouver une solution à cette mendicité vraiment, ou bien à ces enfants, je ne sais pas, euh, guide des talibés, ouais. guide hein. ah, Alors, M. Ganda Saleh de, de la COANEF euh, Niger, quelles mesures alternatives Parce qu'on vient de se rendre compte, en fait, qu'en tout cas, euh, c'est une question très complexe où les responsabilités sont, en tout cas, entremêlées. Aujourd'hui, vous, comment pensez-vous qu'on puisse mettre à l'abri ces enfants euh, de cette situation et leur permettre de jouir de leurs droits les plus absolus. Vous savez, au Niger, euh, chaque fois, les gens se cachent derrière la pauvreté. Chaque fois, on dit parce qu'on est pauvre. Oui, euh, c'est même nous qui sommes comme ça, qui nous sommes des personnes bien portantes, on dit ah, on est pauvre, nos enfants ne peuvent pas faire l'école. Mm. Là, et par expérience, hein, s'il faut protéger l'enfant, souvent il faut agir sur la famille. Parce qu'une fois la famille est démunie, vraiment l'enfant ne peut pas réussir. Mm. C'est pourquoi souvent, au cours de, nos activités que nous menons, dans certaines localités, on agit directement euh, sur la famille. En quoi faisant euh, Par exemple, à les aidants, euh, un exemple, hein, quand on dit les enfants ne, partent pas à l'école, euh, surtout qu'ils viennent au collège, mm. vous partez dans une, euh, dans une commune rurale, par exemple, où le, le, collège est dans la commune rurale. Les enfants qui viennent de loin, ils n'ont pas il y a un problème de tutorat qui s'oppose. Là, il faut agir sur les... Il faut, parce que maintenant, il n'y a pas d'allocation, de, d'allocation comme on le dit, mm. parce que l'État même ne peut pas se prendre en charge, à plus forte raison, prendre encore des charges supplémentaires. Donc là, il y a une responsabilité partagée. Pour nous-mêmes, nous qui sommes acteurs de la société civile, l'État, les parents et les partenaires euh, financiers. Mm. Là, il faut, comme je l'ai dit, il y a une étude qui a été menée. On attend voir le résultat de l'étude en fonction de ce résultat, nous pouvons vraiment dégager, on peut avoir des pistes pour solutionner ou bien pour, euh, en tout cas, contribuer à, la, réduire ce phénomène. Vous, vous, pensez qu'il faudrait agir sur les familles de ces Il faut agir sur les familles. Parce que là, eh, vous voyez, eh, quand on parle de la manifester, c'est ceux qui se disent mendiants là quand on fait la manicité, c'est pour manger à des heures précises. Hmm. Or, ici maintenant, c'est devenu un business pour eux. Ce hmm. C'est pas en fait mendier pour manger, hein. c'est un business. Ces gens-là, ils, ont, ils, ont, ils sont plus que sont plus riches que même ceux qui, qui sont des, fonctionnaires. Hein. Hmm. C'est ça. Eux, c'est un business pour eux. Hmm. Et quand on dit mendicité, je pense que je passe sous le contrôle du docteur Touré. Hmm. Un mendiant, le matin, tu n'as rien à manger. Tu cherches, tu fais, tu peux mendier pour manger. Tu attends jusqu'à 13 h encore pour mendier et manger. Et maintenant, pour ce cas-là, en Afrique surtout, ce n'est pas le cas. Hum. C'est devenu un business. Là, vraiment, il faut que l'État euh, va, va voir ce problème-là. L'État va prendre ce problème. Et d'ailleurs, ceux qui disent euh, mal malvoyants des grands responsables parmi eux. Il y a eu même des, des, non qui sont devenus ministres dans ce pays. Hum. Donc là, vraiment, je pense que euh, on va voir comment on doit agir sur eux pour pouvoir protéger les enfants euh, qui demandent. Hmm. Monsieur Mohamed Moussa, quelles sont les, pistes de solutions que vous, voyez à cette situation euh, Écoutez, les pistes de solution sont déjà tracées. Il suffit d'avoir tout simplement un État dans la plénitude de ses attributions. Hmm. Et dans la plénitude des attributions de l'État, c'est l'État social qui nous intéresse à ce niveau-là. Hmm. Le Michel a élaboré une loi sur la protection sociale. La loi est disponible depuis deux ans. Mais là, qu'est-ce qu'on attend Dans cette loi sur la protection sociale, il y a un aspect qui doit concerner les handicapés. Hmm. Il y a un aspect qui doit concerner les, personnes âgées. Les personnes âgées, les zones vulnérables. Hmm. Tout ça, il y a un aspect qui doit concerner la mutualité en matière euh, économique, en matière surtout de santé. Vous savez, la pauvreté, elle seule, elle ne suffit pas hein, pour justifier tous ces problèmes de mendicité. Euh, il y a des mendiants, aveugles qui sont pauvres, qui ne disent pas. Mm-hmm. Enfin, il y a des aveugles qui sont pauvres, qui ne disent pas. Mm-hmm. Mais il y a des aveugles aussi qui ont les ressources nécessaires pour vivre et qui disent tous les jours. Mm-hmm. Parce qu'ils ont on a tous ces cas, en... on a tous ces cas en fait. Ils ont tous en, profession. Mm. Je crois qu'il n'y a nulle autre personne à interpeller que l'État d'abord. Mm. C'est l'État qui doit être interpellé pour qu'il soit dans la plénitude de ses attributions. Mm. De la même façon qu'il utilise ses attributions pour aller prélever l'impôt pour aller négocier les accords internationaux, pour aller euh, assurer la sécurité de la même façon, il doit assurer la protection sociale des uns et des autres. Et c'est cette protection-là qui doit faire en sorte qu'il n'y ait aucune personne qui soit en situation de mendicité parce qu'il n'a pas quelque chose, il n'a pas de ressources pour vivre. <laughs> Merci. Et c'est sur ces mots que prend fin le forum d'aujourd'hui qui portait sur les enfants guides au Niger, euh, conséquences et alternatives. Voilà, nos invités ont soulevé en tout cas euh, le caractère dramatique de cette situation qui viole en tout cas la majeure partie des droits euh, pour l'enfant. Les responsabilités sont partagées entre la société et l'État. Comme alternative, nos invités pensent qu'il faut agir sur les familles de ces enfants, leur apportant de l'aide nécessaire aussi la mise en œuvre effective de la politique de protection sociale au Niger. Merci à tous d'avoir été des nôtres durant ces 45 minutes. Nous étions en compagnie de Mahamadou Moussa, président de l'association de lutte contre le travail des enfants, Alten, Ganda Saleh, qui est le président de la coalition des ONG africaines en faveur des enfants, Kwanef, section Niger, et Boubacar Seydou Touré, qui est islamologue également avec nous. Merci à tous. Je suis Alassane Kouzi Mohamedou pour la présentation et le volet technique a été assuré par رسالة ولي